Pointan yo ka di, ti nitwa peche vev o moul. Ti nitwa peche vev o moul, se twa peche ki ka pran diven. Pointan yo ka di, ti nitwa peche vev o moul. Twa peche la ki vev vo moul la, se twa peche ki ka pran diven. Pointan yo ka di, ti nitwa peche vev o moul. Ti nitwa peche vev o moul, se twa peche ki ka pran diven.

serwa beshe kita pandi Oy, efini beshe do wad, hali kon do ate, hali ve mote, di kweye do wad, di kweye do wad, di kweye do wad, panaka di kweye do wad, on zame vyo ti mwen, zami laka di mwen konsa, kanson a ti mwen madama ou pati obon ave. it, what they shake it up on it. Rabeche kile kamwan li ven, lese mwen ali ndi bebe lese mwen ali pou mwenpe ali a kazan mwen Ndi bebe kite mwen ale pou mwenpe ali a kazan mwen olo Sous-titrage ST' 501 Dieu est nationné, la gamade ka qui passe. Dit tabouye tombé si galas, pour moi, ils ont ta qui

Ram. Sari na Nè gade lò rayali An ka wè somal nan blous An kousa gade mwen An ka gade pèm la An kousa di mwen konsan An gade mwen panye ou An kousa di mwen konsan An kousa di mwen konsan parti, mais nous casa moi. Là que arrivé à casa moi si, moi monte un tabanage en manie à casa moi. la passé. Oh, oh. Et madame Kazinoti ve casino Liondo lave par un Maman Léon parlait Léon. Papa Léon Léon. va pas au casino. Léon va coûter papa Léon. sọ̀rọ̀ ànúwálé ànúwálé ànúwálé ànúwálé ànúsọ̀rọ̀.

Rat kate te chat an bakou chan mwen Pati zave chat Epi rat an komplicite akaz an mwen Oh chat kate te rat Rat kate te chat an bakou chan mwen Pati zave chat Epi rat an komplicite akaz an mwen Oh chat kate te rat Rat kate te chat akaz mwen

endormi, endormi. Avant sommeil, la ville coupée, attendant citron, en bas pour moins, fait, fait, fait, fait, content, fois mangerable, à sous ses arrêt pour sommeil, moins dormi,

devise grigny Gaula. Docteur, Marie me dans là Docteur, docteur, docteur, docteur. Si vous parlez me dans que vous devise grigny gaola. Docteur, Marie me dans là On lundi matin, moi l'auto, moi il la pointe. Beloto la met mwen ate Beze mwen kote bata A tou bouta si tout twa la A me do gavini A me do bien abye A gade pantalon me do I me to pantalon de gal A gade chemiza me do Me do me ton chemizi lon A gade souye a me do Me do me te homo kasen A gade ampli me So gade yon so gade nilon A gade ambwa Mwenye ndo mwenye ten yonmwa seman Kaga dan dwenye ta mwenye Mwenye do de sinin yon bagan nan Kaga de an gelan mwenye Tujen la se dan nan Mwenye mwenye mwenye an boute gano An kouye, an kouye, an kouye Dokter, doktor, doktor, doktor, doktor, doktor Dokter kouten sa mwenye kazi ou Aba moun di kamansi siupa barometro ikemete visangrini kaula donc siupa barometro ikemute visangrini kaula Criez la police, criez garde criez la gendarmerie.

plus en Il docteur, vous

se ka mobili. A tini de ka mobile A de la bɛsɔn se ka mobili. A taama bɛ tini de ka mobili. Aaaaayi, c'est dans l'indiosois, démonté au moule. Passion du bordel, du bordel à bas ni lumière, du bordel à bas ni Mes amis arrivés au moule, entrez les amis, soleil bougez moins. Abati ni limye, api pa vwayaje, mwen atan yu ki lajon, yu ki lajon vin janvine. Jot moun ale kouje, amante tri poten mwen, a jan kade son akalman, de zomni mwen wule, teredek, teredek, teredek, teredek, teredek, teredek, teredek, teredek, teredek, teredek. Kavive yon moun damaren, an avan kou projekte, an kavade kou projekte, Mes amis, moi, ça tient mêlé Ça veines, c'est devine. Ils ont fait du soir. Immobile de roi, mobile là, il y a créé moi. Tiens, à droite, enraillé qui compte là. Mettez-moi à la droite, en doublé c'est mobile là. C'est mobile là, qu'a créé moi. Yo, Kavino, vu nos Moi, vers moi, on s'est l'idée. antimwere kuwi akaleze dikotela akuwi akuwi akuwi akuwi akuwi akuwi kofila dedo ọmọ àti akafọnkuduwa akaranteyanwa asanbakanfẹ. samba, Zakasia, Samba encore, encore Kayanko, Akarete Louboul, ou mobile la balle devant moi, c'est mobile la vino dis moi. Pardon, monsieur mobile, Baba moi balata, Baba moi balata, Baba moi bon coup, la vérité, Café moi couille, c'est père, paix, moi paix mobile.

le sénateur, sénateur réuni, c'est pour y en réunion.

bonjour. Bonjour, mon enfant. Mon enfant, vous Les bâtards. Prison, soulier. Mon soulier, cérémonie. Soulier pour Il Qui dit en moi. A dit 44. il rentre en magasin. Choisis, un soulier t'es venu par moi, regardez pas soulier là, mon soulier à boule pointi, soulier là à goût à moi, soulier là en à moi, en sentir Jacques bataille, comme l'argent, il dit moi, 3000

mante ni avin Aprize monta kazan mwen Baka mande ou kwezi Apan prize kwezi Avwa la manite Avwa la konvasyon Mwen mwen basa loto Apre monte ya kazan mwen